candidat à la candidature Ousmane Sonko. Euh, nous sommes venus euh, aujourd'hui à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au code électoral, pour déposer la caution du candidat à la candidature Ousmane Sonko, les 30 millions exigés par le code électoral. Donc euh, nous, nous venons juste de le déposer et nous avons reçu la quittance. Et c'est pour dire que la candidature du président Ousmane Sonko et en tout cas toujours en vigueur, elle est réelle, elle est concrète et nous allons euh, en tout cas mettre toutes les dispositions pour qu'à partir du 11 décembre, qu'on puisse déposer son dossier de candidature complet. Donc euh, c'était pour informer l'opinion nationale et internationale, informer les militants, les sympathisants, les Sénégalais et tous ceux qui sont, en tout cas, soutiennent le président Ousmane Sonko que le président Ousmane Sonko a déposé sa caution et il a reçu sa quittance. Malgré l'affaire pendant devant la justice euh, Le code électoral, en tout cas, a été respecté et nous venons de nous conformer à une exigence du code électoral. Donc c'était ça l'information. Donc euh, je peux le dire également en Wolof. Voilà, donc salam alaikum Bokki, salam alaikum journalistes euh, Sénégal mandataire du candidat Ousmane Sonko ma déposer caution candidat Ousmane Sonko 30 millions donc déposer naa ko léegi euh, jox quittance bi donc euh, quittance la euh, caisse de dépôt et consignation nak d'abord dossier de candidature bu déposer le conseil constitutionnel. donc di le sénégalais les citoyens Ousmane Sonko candidat la Inch'Allah à partir du 11 décembre nous déposer dossier de candidature il euh, comme un candidat Inch'Allah. donc nous avons fait des di nuyu ñëpp di nous avons merci